disent dise en politique, tout, ton, tout acte compose hmm, c'est pour en tirer les dividendes. Voilà, c'est ce que je peux retenir. en tout cas Khalifa babacar Sall le di diggante moom ak euh, ñi ëmb ce askan wi donte ci la bokk mi ngi xaw euh, commencé am am ay mais mom, ça ne me surprend pas d'être moi xam nga Khalifa c'est un peu le centre de tout même la situation au sein de yeewi pour vous dire c'est-à-dire le jeu de Khalifa mom, a été toujours trouble. Mm-hmm. on a fi M2D. Bon, Khalifa n'était pas parti parti Moi, mhm. moom créé il y a des gens bon, à ils ont quitté oui à cause de Khalifa. Alors, le naa le roi. non si c'est la position qu'ils ne croyaient pas que Khalifa n'était pas clair d'ailleurs l'histoire leur a donné raison aujourd'hui Les, on va avec Yewwi Moi, mon on va continuer avec euh, euh, on va dialoguer parce que moi aussi il a ses intérêts en jeu c'est-à-dire moi, moi, deal moi Mm. il va dans cette dynamique mais qu'il choisisse le côté qu'il doit mais mais gis nga pour kaaw Khalifa moom lu ko daal moo ko teg boppam Khalifa Sall lu ko daal moo ko teg ci naka parce que da ngay assumer à un moment donné da ngay assumer ses choix mm. man manuma nekk ci groupe bëgg na naviguer à contre courant ñoom buñ ne ñoom waa coalition Yewwi seen ben membre du dem ci dialogue bi yóbbanteewuñu yepleewuñu kon moom bu demee ba dëggal boppam ne moo ngi ci yeewi te wax na ko bu mu tax demee si dialogue moom Khalifa bi mu jëlee parole nee na membre yeewi laa taxawu Sénégal laa fi ñëwee kon leer na ñëw fa en tant que yeewi mais membre yeewi la te ñoom nee nañu képp ku nekk membre bu yeew bu mu dem ci li nga xam ne moom dialogue bi parce que ñoom dialogue bi intéressé wu leen kon Khalifa bu fa demee baru sax xaar ñu waa yeewi di bind note naan dàq nañu la moom dàq na boppam mais ouais, mais est-ce que est-ce que Khalifa Sall c'est la base. on a écouté Pikine on a écouté Tamba. on a écouté la base de ah ok, ah, ah, leader leader base aussi. mais même si base bi ne demal base au nom de la base mm-hmm. base la mm-hmm. base la de parce que am na si ñoo xam ne seen candidature déclaré nañ ko te du ñu nangu mug leen ko yàqal moom candidature am dafay cam langal c'est normal mu dem lijjanti candidature am mënoo ko ko refuser mais moom it nag loolu loolu naa si ne mais am na ñuy wax ne lii dafay méngoo ak li ñuy woowee banditisme politique dafa war a fidèle fenn ñenn ñi mm. ñooy wax li ni mel ndax tuub lang la ci langum politique am déet parce que munoo xasante kàddu ak ñenn ñi ba pare gis nga li am ci yeew yi ak am ci yeew yi on aura la même chose au niveau du F24 ah xool leen rek xaar rek ah <laughs> ci naka hmm. <laughs> xaar leen rek F24 bii ah. xool leen rek Quand vous à quelle coalition se fier justement non Fofana hein, hein? <laughs> <laughs> tu portes la parole de tout. <laughs> en tout cas euh, en politique il faut s'attendre à tout d'abord am conviction la plateforme am na ñoo xam ne nag moom dañ ci bokk parce que dañoo bëgg existe exister ku nekk ak objectif bi nga xam te ne nii moom moo la ci dugal. Hmm. donc moo tax bu Fabrice ne euh, euh, li xew yeew yi il faut s'attendre à ce que mu am F24 dans toute autre coalition ou mouvement lu mu mënti doon am na ñoo xam ne ne ñii dañuy dem ñii dañuy dikk mais pour embrayer sur le cas xalifa tamit dëgg-dëgg xam nga la mooy wax ci Khalifa ku ko bëgg da ko naan sa waay. neel yeewi bokkatuma wallaahi bokkatuñu objectif man maa nga ca lii nga xam ne moom mooy dialogue ba parce que dama am ca bu may régler mais xam nga xam nga dans la vie di boole di bëgg cam langal fii bëgg nekk teg fii tànk teg fee tànk mënul nekk bokkatoo leen gis-gis bokkatoo leen bëgg-bëgg bokkatoo leen pratiquement ay aspiration mais nee leen sa waay man mënatu comme bokkatuñu loolu nañu dem amatul langaamu Euh, pendant la semaine euh, des archives, euh, semaine de la célébration mondiale des archives, les nous les archives de l'UCAD. Ah c'était avec, les révélations de l'observateur l'observateur. il y a des têtes qui commencent à tomber. Non, c'est vrai. C'est dans des situations où il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à, éclairer. Mais comment arrive-t-on à, infiltrer l'université Non, mais lolo, lolo, mais attends, mais on infiltre même... Euh, des, médias. Des, médias, on infiltre même des, coalitions, hein, mm. parfois, ça va. Lolo, même, c'est rien. Mm-hmm. Mais quand même, il y a une situation, parce qu'il y a eu une situation, un problème de sécurité qui s'est posé à une certaine durée. Les dégâts sont énormes. Mm-hmm. Mais il faut aussi dire les choses telles quelles, parce que là, on du côté de l'université, nous, on nous fait comprendre que bon, les des têtes tombent. Mais aussi, nous avons une image de France 24. On nous montre des gens agir aux côtés des forces de défense et de sécurité. on a tous vu les images. Lolo, ce n'est pas en couleur. certains disaient que calme numéro 9, numéro 9. On en a vu. Mais Lolo aussi, il faut que ce soit clair de quoi il en est voilà ils étaient voilà mhm. avec avec des fusils d'assaut aussi bien cas le policier qu'on a agressé là qu'on on fait dafa jël brique policier aussi il faut que ce soit clair mhm. parce que loolu il y a beaucoup de choses beaucoup de beaucoup de choses à éclairer mhm. mais ce qui est sûr c'est que l'un dans l'autre c'est-à-dire à l'université, avec les images qu'on nous a montrées c'est-à-dire des gens armés de Kalachnikov, mhm. armes de guerre, mhm. et autres, et de pistolets, euh, à un moment qui se retrouvent du côté des FDS. Il faut qu'on nous explique aussi, il faut qu'on les identifie et qu'on nous explique comment ça, comment ça peut s'expliquer. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette histoire. En tout cas, Et ce n'est pas que ce qui s'est passé à l'université, c'est vrai que c'est un coup dur. C'est vrai. Mais aussi, ces gens qu'on a vus, là aussi, mais les images ont fait le tour du monde. Il faut des Ça aussi, il faut aussi des explications. Il faut aussi qu'on on nous les identifie. Ah et ce jeune qui, a attaqué, le policier étant couché avec une brique. Mm-hmm. Ça aussi, il faut quand même qu'on sache qui il est. En tout cas. walum nervi baatu nervi ci bopam. bu la war moom moi ñu condamnons. Mm-hmm. et à plus forte raison bu demee et ça devient plus grave sax la mëna wax bu féké né dañoo gis ño xamné ay nervi nañ ñun nekk ni Fabrice waxé ci wétu policier yi ak gendarme mais lolu bu policier bu nekk en civil gendarme bu nekk en civil nervi buy nekk ci wétu policier wala gendarme lolu mo teguwul ci yoon parce que fi ku fi mara wara rétablir l'ordre ki fi wara taxaw pour kat que force reste à la loi kooku gendarme la wara tudd policier la wara tudd wala armée la nek ak yoy ñooñu ñoom ñoo am sa policier en civil oui ñooñu ñoo mais di jël ay nervi sa waay di ànd ak cortège président wala di ànd ak ay forces de défense et de sécurité pour sa waay ñuy attaquer population bi lolu teguwul fenn en tout cas mambay il est 7 heures passé de 44 minutes mën na si nañ yéeg si kaw tribune bi dañuy yëg ci kaw turbine bi. fekk fa bàjjenu gox fekk fa bàjjenu